Ils sont de retour des championnats d'Afrique à Kinshasa. Les lions de la boxe ont atterri ce lundi matin à l'aéroport Blaise avec dans leur bagage sept médailles, dont une en or, deux argent et quatre bronze. Une joie immense, fruit d'une bonne préparation, après avoir porté haut le drapeau du Sénégal, c'est dans cette ambiance festive qu'ils ont été accueillis de l'aéroport international Blaise Diagne au siège de la Fédération sénégalaise de boxe. 12 athlètes sénégalais de différentes catégories s'étaient engagés lors de cette 21e édition des championnats d'Afrique, permettant au Sénégal de se hisser à la troisième place africaine pour une première. Karamba Kebe, champion d'Afrique dans la catégorie des moins de 92 kg, a remporté la médaille d'or, permettant ainsi au Sénégal de décrocher son deuxième titre continental en boxe, un exploit historique qui intervient 26 ans après le sacre de Pape Mamadou Sow 1998 en Algérie. Une grande euh, satisfaction euh, parce que ça fait 26 ans que le Sénégal n'avait pas gagné l'or et euh, c'était primordial pour moi de l'emmener. L'année dernière j'ai fait l'argent et c'était impossible que je parte avec quelque chose en dessus de l'argent. Du coup c'était soit l'or ou l'or. Oui j'ai eu Papso hier soir au téléphone mais juste avant ça l'année dernière je lui disais déjà que c'était moi qui allais battre le record de son père un an après, ça s'est réalisé. Là, maintenant, je suis au même niveau que son père. Il faut que je le dépasse encore. voilà. Je sais qu'avant la finale, il lui, envoyé, et il lui avait dit qu'il y avait trois Sénégalais en finale. Et Papso m'a dit que son père savait que j'allais faire l'or. Mais moi aussi, je savais que j'allais faire l'or. Donc c'est bon. À côté de ses belles performances, s'illustre une dame, Awa Cheikh première femme médaillée d'argent dans l'histoire de la boxe sénégalaise depuis 1960. Je remercie le bon Dieu. Depuis lors, je travaille dur pour décrocher cette médaille que j'ai tant rêvée. Outre les performances de Mohamed Abdallah Diallo, moins de 67 kg, médaillé d'argent, quatre boxeurs sénégalais ont également brillé en remportant des médailles de bronze. Maïmouna Ndong, moins de 70 kg, Khadijatou Sissé, plus de 81 kg, Serigne Abdoumbaké Diop, moins de 60 kg, et Idrissa Gueye moins de 63,5 kg. Un bilan jugé satisfaisant. Nous allons surfer encore sur ce niveau de maintien. Il est crucial de continuer sur cette lancée en maintenant des programmes d'entraînement de haut niveau en soutenant nos autres talents. C'est-à-dire actuellement la Fédération Sénégal de boxe va chercher sur cette lancée en maintenant le niveau. Actuellement, nous avons fait de l'autocritique, nous savons les manquements et nous allons retravailler davantage avec beaucoup d'humilité pour, pour prendre la première place niveau africain. Nous nous réjouissons aussi de ce retour du médaille d'or après 28 ans d'absence. C'est une renaissance, une réaffirmation de notre potentiel et, un tremplin vers un futur encore plus brillant pour la boxe de notre pays. L'année dernière, vous étiez 8e, cette année, troisième. Donc, l'objectif est très clair pour moi et j'espère que c'est clair pour vous. On cherche de la performance la performance ne s'improvise pas. C'est un travail que l'on fait, que l'on prépare. Ces équipes ont 9 mois de préparation. Vous, avez eu 15 jours de préparation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'année prochaine, vous pouvez être la première nation d'Afrique. Ceux qui ont eu des médailles de bronze doivent récupérer leur médaille d'or l'année prochaine. Ceux qui ont eu des médailles d'or doivent confirmer l'année prochaine. Ceux qui ont eu des médailles d'argent, c'est une évidence pour moi. mama dila bege. La la la la.